Focal du CDPE, Madame Doy ici présente, mais également nous saluons les forces de, de sécurité, l'hygiène, la police. Mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui un réel plaisir pour moi de présider cet atelier extrêmement important pour l'école sénégalaise. Vous savez que l'État, vous, venez euh, en appoint à l'État qui a déjà fait des efforts au, niveau de la qualité, au niveau donc de, la qualité des apprentissages. Je peux citer le paquet, le programme d'amélioration de la qualité de l'équité et de la transparence, donc qui est un programme extrêmement important piloté au niveau des écoles. Je voudrais également vous dire que ce projet vient à son heure je remercie les organisateurs de cet atelier, vraiment pour cette euh, cérémonie. Euh, pour vous dire que les filles rencontrent beaucoup de problèmes à l'école. Et je crois que ce projet viendra en appui pour les soulager. Et cette formation, j'ose l'espérer, donc euh, sera démultipliée au niveau de toutes les écoles. Vous savez que le problème de la gestion des messes pose problème à ah, l'école. Moi, quand j'étais professeur, j'ai une fois, au collège, j'ai une fois dit au principal, mais monsieur le principal, beaucoup d'élèves abandonnent à cause des messes Il faut faire quelque chose. Il m'a dit, monsieur le professeur, ce qu'on va faire, on va acheter des serviettes hygiéniques, c'est ça, qu'on va distribuer discrètement, discrètement, c'est un mot très important, aux élèves. Et on a pris une surveillante pour faire ce travail. Mais depuis lors, j'ai vu que les résultats se sont beaucoup améliorés. Donc c'est pour vous dire que c'est un projet qui vient véritablement à son heure. Parce que la santé, c'est l'hygiène. La santé, c'est l'hygiène. Et comme disait un grand chercheur algérien de Tizi Ouzou, il disait la santé que nous confère l'hygiène, l'hygiène de vie, la santé que nous confère l'hygiène de vie, c'est la frontière entre la vie et la mort. Donc pour vous dire l'importance de l'hygiène à l'école. Donc je remercie tous les participants euh, pour vous dire que et vous souhaitez vraiment euh, une bonne formation. Si le temps le permettra, peut-être euh, nous repasserons à la fin. Mais pour vous dire que véritablement, c'est une formation qui vient à son heure pour sauver la femme et sauver les filles. Parce que, euh, comme disait l'autre, éduquer un garçon, c'est éduquer une personne. Mais éduquer une fille, c'est éduquer toute une société. Comme disait Simone de Beauvoir. Donc, je crois que nous devons tous nous y mettre et essayer d'éradiquer ce mal qui gangrène nos écoles. Donc, sur ce, je déclare ouverte ouvert cet atelier donc, euh, sur euh, la gestion des nurseries. Je vous remercie de votre attention. Tout en vous disant que je vais essayer, comme je suis seul donc au bureau, je vais essayer de, me, libérer, momentanément, hein, de me libérer pour euh, vraiment aller régler d'autres choses. Du Sénégal. Alors, je voulais exprimer à l'entame de mon propos tout le plaisir que j'ai de participer à cette belle rencontre pour adresser la question de l'hygiène menstruelle, particulièrement dans nos écoles. Alors, c'est une question certes qui intéresse au premier plan les filles, mais ça devrait intéresser toute la communauté scolaire, mais également les autorités. Euh, les IA, vu le caractère transversal de cette problématique. Nous avons aujourd'hui autour de nous tous les autres secteurs, particulièrement le secteur de la santé, les collectivités locales, les organisations communautaires. Donc c'est pour montrer un peu la dimension transversale que la, problématique que, que nous avons adressée ce matin. Alors je voulais donc juste exprimer euh, et me féliciter de la tenue de cette rencontre et dire tout le plaisir que le ministère a de soutenir ce projet initié, pensé déjà, initié et porté par l'inspection d'académie de Thiès. Je voulais d'ailleurs à ce, titre féliciter Madame Yacine, qui est la responsable genre, de l'inspection d'académie, féliciter l'inspecteur d'académie, mais également toutes les personnes qui se sont engagées pour donner corps à ce projet. Féliciter, euh, le, remercier euh, le partenaire et toutes les autres personnes, Kadir Djankar, qui, qui a porté au niveau communautaire ce projet-là et qui nous accompagne, nous, le secteur de l'éducation. En tout cas, dire que nous sommes là, prêts à vous soutenir et à vous appuyer pour que cette euh, initiative pilote soit une réussite. Madame la EG générale, transmettez en tout cas toutes nos félicitations et nos remerciements à l'inspecteur d'académie. Merci à Child Fund, à nos partenaires et à Pathfinder, au ministère de la Santé, à toutes les personnes qui sont réunies ici. Nous espérons que nous aurons des échanges assez fructueux durant ces trois jours. Ce sera d'un échange. Tout le monde, nous allons nous bonifier nous allons nous renforcer mutuellement pour qu'au sortir de ces trois jours d'atelier, qu'on puisse euh, définir des recommandations que le ministère aura le plaisir de suivre et de, et de concrétiser. En tout cas, nous sommes là avec vous en tant que formatrice pour ces trois jours-là et nous espérons que ce, cette rencontre sera une réussite pour tout le monde. Je voudrais également féliciter toute l'équipe de notre partenaire d'exécution Kadior Djanken avec à sa tête M. Dien, l'équipe de notre partenaire financier Fund, appuyée dans la facilitation par la DSMS et le ministère de la Santé et de l'Action sociale, une équipe conduite par Mme Memouna et enfin l'équipe de l'inspection d'Académie des Thiès, composée de femmes dynamiques et motivées. Mais permettez-moi juste de faire une mention spéciale à Mme Djongo qui, au-delà des actes qu'elle pose pour l'intégration de la dimension genre, porte même des lunettes genre, pour juste identifier tout ce qui est problématique lié au genre et d'essayer d'y apporter une solution. Pourquoi ces mots de remerciement à l'entame de mon propos C'est parce que, mesdames, messieurs, vous avez fait preuve de professionnalisme de proactivité. Et vous avez mis en avant la complémentarité pour réussir le travail d'équipe. Certes, les rôles et les responsabilités sont bien déterminés, et cela depuis le début de la mise en œuvre du projet. Mais dans ce contexte de relance des activités, après une suspension due à la survenue de la pandémie à Covid-19 au mois de mars 2020, il nous fallait presser le pas tout en maintenant la qualité dans le pilotage du projet. Ce projet d'appui à la gestion de l'hygiène des menstrues à l'école répond à un besoin identifié dans nos écoles et établissements parce qu'il contribue à la prise en charge effective de la dimension genre, particulièrement de la spécificité de la fille. En réhabilitant et équipant les blocs sanitaires, en équipant les, euh, les boîtes à pharmacie, en sensibilisant et formant les élèves et la communauté sur la gestion de l'hygiène des menstrues, le projet permet à l'inspection d'académie de Thiès d'avancer à grands pas vers l'atteinte des objectifs de la priorité numéro 4 du ministère de l'Éducation nationale, en l'occurrence assurer à tous une éducation de base de qualité. Et c'est une des priorités sorties du séminaire de rentrée de septembre 2019 des priorités qui vont sur cinq ans, qui s'inscrivent sur cinq ans. Je terminerai par rappeler que dans le protocole sanitaire révisé à la rentrée scolaire 2020-2021, la gestion de l'hygiène des menstrues à l'école est un des points d'attention les plus saillants. Madame la représentante de la DSMS en sait quelque chose. Juste pour vous dire que ce projet est en phase avec les orientations du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est sur ces mots que je voudrais vous réitérer l'accompagnement de l'inspecteur d'académie de Thiès, M. Pabba Diassé. Vous souhaitez une bonne session de formation tout en espérant que les réflexions qui seront puisées de ces trois jours de formation nous permettront d'avoir une bonne moisson et contribueront également à la réussite de ce projet. À l'issue de cette formation, nous aurons fait un pas euh, et espérons-le que, cela sera un grand pas vers, en disons, cette résolution de cette question qui est à la fois une question de santé, une question sociale, mais aussi une question de développement. Encore, Monsieur le Préfet, merci. Au nom de la Fédération catholique on a notre iPhone, au nom de l'IA, au nom de vraiment toutes les personnalités présentes ici, Pathfinder, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, nous disons merci. Mais nous ne sommes pas surpris parce que nous vous connaissons. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un enseignant de formation et quand on est enseignant, on reste toute la vie. donc merci beaucoup Michel l'enseignant. Ah, Euh, maanaam def benn formation boo xamee ne que ni mu ngi tudd formation gestion de l'hygiène des mastures en milieu scolaire maanaam euh, xale yi nga xamee ne que ni ay jànk lañu nekk école te mën a ci biir école ba seen wàllu règle mën leen a dab ci biir école bi ñu doon tey nag def formation boo xam ne dinañu permettre ñu xam nan leen di aborder nan la ñuy traiter li nga xamee ne que xale bu xam ne loolu jot na ko ci école ba nan la war a comporté wu waaye yemul rek ci formation bi pour que xale yooyu bis bu leen loolu jotee ñu mën a dugg ci biir euh, mbir ci biir euh, toilette yooyu defaru te kenn du leen gis ci sutura mais aussi ñu mën a am ay serviettes hygiéniques yi leen di permettre ñu jël ko defar ko suñu ko defaree ba suñu defaroo ba pare continuer def seen cours ndax ñëpp xam nañ ni am na ay heures yoo xam ne boo ko absenté ci école mën nañ laa dàq.

te dem nañ ci trois départements yëpp fii ci biir région de Thiès mais aussi amna na leneen loo xam que ni nek na ci moy euh amna ñi ñuy ñëw tay diñu former diñu gungé moy euh, ministère de la santé moy DSMS aussi euh, ñi nga xamné ne ñoo yor éduca euh, walu faj ci école yi mais aussi and ak ci beneen partenaire Pafeng mais aussi and ci ki nga xamné ne que mooy suñu partenaire privilégié moy Thial fan ñëpp xam nañ ko représenté par Maymouna Sow Euh, kon tey ñëw nañ fi ci suba préfet ñëw ànd ak ñun mooy sous préfet nord ci li nga xam ne moom mooy ouverture bi ñu am nag ñëpp ñi nga xam ne booleel nañ leen ci muy wàllu waa service di d'hygiène muy police muy euh, chef de service yi développement communautaire ñoom ñëpp bokk nañu ak waa hydraulique bokk nañ ci ndax euh, ni ñu koy xayma mooy kuy gis ay règles té amoo ndox problème mën na am kuy gis ay règle té amoo serviette hygiénique euh lénen mën la ci fekk mais aussi amna ci benen wàll bo xamné que ni euh du téré damay baye Cheikh mu développer ko ndax euh, du ñëpp des fois ñu am accès ci li nga xamné que ni mom moy serviette hygiénique yi jaay wala euh naam sa euh, am am bi bañ a demee noonu pour que mu mën ko jënd donc euh, ñi ngi sante ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp di wax ni aussi communauté bi xaar nañ leen ci li parce que ñom ñoo jur xalé yi nga xamné ñom lañu la bëgg a euh di remercier nag bii paa ñooñu nga xamné limon na naa leen sànq muy ñëw di ñu former mais aussi di remercier li nga xam ne que ni moom mooy liggéeykatu Kajoor Jànkeen yi maa ngi koy wax légui ni tay dañu jëlone parole ci wàllu euh, ci kàddu caal fan di sante ñep mais tay amna lu gëna am solo liggéey kat yi nga xamné ne ñoo ci nekkon don def teug euh, li nga xamné moy outil mu amoon gàllankoor ndax euh, Covid 19 mais yàlla dogal na tey ñooñu ñu ngi fi ki leen jiite ci doon liggéey boobu ci Kajoor Jànken moo doon Cheikh Sow ànd ci ak ki nga xamee ne que ni ay nit personne ressource la muy mbeng bi nekk IEF euh, e mais aussi ànd ci ñi nga xam ne ñooy travailleurs yi. kon ñi ngi sant ñëpp di jaajëfal ñëpp ci yaakaar ne rek bu jeexee incha allah du deen lu dul njeexital ci biir xale yi. maa ngi leen di sant di leen gërëm di passe parole bi ki nga xam ne que mom moy suñu chargé de programme éducation euh, ñu jox ko parole pour que mom mu expliquer aussi li nga xam ne programme bobu nga xamné nek na ci biir communauté yi te yaay yi war ko bénéficier wu. Euh, programme bi nga xamante nak euh, moy programme bi nga xamné ne moo na dajale tey. muy la formation sur la GHM c'est-à-dire la gestion hygiénique des masseries dafa nek programme bu am solo Euh, solo bi mooy ni après constat yi nga xamante ni def nañu ko ci di nga xamante ni moo jëm ci performance scolaire u xale yi rawatina xale yu jigéen yi et contre performance boobu dañuy seetlu lu ci bëree bëri li nga xam ne moo koy indi bu ñu seetee ba ci biir bëri na ci absentéisme bi nga xamante mooy am ci école yi te wooyu aussi bu ñu ko seetloo dafay méngoo ak période yi nga xamante ni xale bu jigéen bi dafay gis ay réglam donc loolu nag mën a nekk loo xamante dafay handicapé euh, jàngam ba tax na résultat yi nga xamante ni war na ko am muy performance yi nga xam ne war na ko am au niveau de l' école performance yooyu dafay baissé bi ñu defee constat bi nag dañoo xool ni dispositif bi nga xamante moo war a am ci école bi en matière par exemple euh, d' comme par exemple en matière de de bloc nga xamante ni dina permettre euh, xale bi ci boppam bu fekkee ni loolu ñëw na mu mën a dem ci sutura defaru mën a génnaat dem continuer waat loolu nekkoon na ay jafe-jafe beneen jafe-jafe bi aussi mooy au niveau de certaines écoles aussi ñu constaté que ni ndox mi nga xamante ni moom la war am pour que xale boobu aussi bu ko loolu dalee mën a defaru mën a delluwaat classe loolu aussi dafay nekk jafe-jafe ba tax na loolu su fekkee ni bett na xale bi ci biir école bi li ci ëpp lu ñuy séntu mooy kersa da ciy nekk ba pour même delluwaat école bis dafay nekk jafe-jafe donc loolu tax na ba tey eh, ki nga xamante ni mooy sunu partenaire stratégique et financier muy Child Fund eh, jàppale nu ci kaw l'école, bi nga inspection de l'académie de Thiès pour mener programme bi ci différentes écoles yi nga dans la région dans la région de Thiès notamment dans le département de Tivaouane dans le département de Mbour et dans le département de de Thiès Nous avons 12 écoles qui xamante ni mais en dehors aussi de de GHM aussi il faut le rappeler que et amener aussi des activités qui nga menées dans ce sens au niveau communautaire parce que ce que nous constatons, c'est que nous avons jëm ci la gestion des des surtout surtout problème Euh, le fait que la femme voit ses règles dafa nekk loo xamante ni c'est tout à fait naturel nga xamante ni ci dund doomu aadama la bokk rawatina ci dund jigéen d'ailleurs loolu mooy wane ni sensu jigéen parce que jigéen boo xamante ni daanaka lu mel noonu nekkul ci moom war na mën a inquiéter wu poser wu dee question d'où l'importance que nit ñi di ko war a waxtaane ba xam ne loolu nekkul loo xamante ni gàcce la nekkul loo xamante ni lu bon la waaye dafa nekk loo xamante ni noonu la yàlla bindewaale jigéen pour mu ànd ak moom de ce fait kon ñun à travers la communauté on nañu jël question boobu en charge ba nga communauté. ni

la fabrication des serviettes hygiéniques lavables parce que aussi serviettes hygiéniques ce n'est pas à la portée de n'importe qui parce que yenn serviette ça demande vraiment des moyens financiers alors que vous faites ni da dans une communauté boo xamante revenu de demewul je pense que l'accessibilité devient une difficulté d'où euh, l'idée nous jéem mon au niveau communautaire nous leen les ni former ba nga xamante ni nii euh, danañ euh, serviettes hygiéniques lavables la perspective li nga xamante atelier bi la perspective atelier bi li nga xamante ni moom en dehors de atelier bi il y aura des activités de sensibilisation D'abord au niveau des écoles Dans def ci école bi ay activités de sensibilisation Dans def ci école bi ay activités yoo xamante lié à la gestion de de de menstruelle au niveau scolaire actuellement on a fait la réhabilitation des blocs sanitaires qui répondent au à ce programme aux normes yi nga permettre ñooñu mais en dehors des écoles aussi au niveau communautaire perspective est élargie élargir au niveau communautaire que la question cette problématique nga de des femmes c'est la communauté bi da en charge et bu nous waxee communauté bi nag e, muy mama yi muy tanta yi papa yi muy donc tout le monde war impliqué ba nga xamante ni ni loolu su amatee ñu mën a xam xale yi naka la leen mën a taxawoo taxawaay bu rafet. appuyer euh, inspection d'académie bu Thiès ci benn projet boo xam ne ñoom dañuy euh, daf leen soxal lool. ñu liggéey ci gestion de l'hygiène menstruelle bi nga xamné tay euh, dialogue politique bi nga xamné dañ ci jógee ci euh, bëss yi passé fa permettre ñu euh, wax léegi santé menstruelle parce que ci gestion de l'hygiène menstruelle mo indi li nga xamné dañu bëgg duggal problématique bobu ci biir politique publique té te léegi politique publique yi nag dafa laaj ñu lëkkaloo ci ñi nga xamné ñom ñoom la Fatick bépp soxal té aduna bépp la soxal nag waaye dafa nek ci cadre projet bu nga xamante tay euh mën wax né ministère de euh, l'éducation nationale euh, tay ño au cœur même je veux dire pourquoi parce que tout simplement ça concerne les jeunes filles les jeunes filles et les femmes parce que tay ku waxulo euh waxuloo euh, euh mbaax dinañ la c'est seetaat la mbaa ñu faj la alors le ministère de euh, l'éducation nationale à travers euh, l'inspection d'académie de Thiès a un projet qui de fait en compte euh, cette problématique depuis 2016 nous avons fait un financement pour permettre donc tay appuyer len pour que projet bi ñu mëne ko dérouler parce que tey euh, yaakaar nañ ne ci aduna bi euh, tay euh, lepp lo xamantene da fay indi problématique ci jeune fille ndax bu ñuy wax tay ci fiñu tollu toll nii ne dañ bëgg autonomiser jigen ni té jigen ni ba tay ñuy am problème mu da fay gàllankoor ci ñom ndax té tay xalé yi di ci gëna bëri moy dañuy am dem ci école yi di jàngi ndax tey bu fekkente ne dañuy wax ne ministère de la l' éducation nationale am programme yoo xam ne dañ ko teg pour maintien des fii à l' ba ëlpare ñu ëlbati ko ni gis ay xale yi génn ci biir école bi dara taxu leen a génn lu dul nañuy gérer seen règle nekk sooxe ci ñoom ci wàllu ñu dem ci école ba fekkuñ fa ay toilettes yu set wala toilettes yoo xam ne duñ fa fekk liñ soxla loolu problème la wala ñu ñëw ci école bi seen biir di metti wa illaa ñu ñëw ci école bi fekk ne seen euh, euh, li ñuy woo mooy seen euh, maanaam serviette hygiénique mu am problème ba nga xam ne dañuy am problème mu jënd ko wala ravitaillé wu ba benn la ñuy utiliser journée bi yëpp mu taché seen morom yi di leen ñaawal ñu dem ci douche fekk douche maanaam nekk melokaan boo xam ne duñ ko mën a utiliser suñu seexlu ko li ñuy def mooy toog seen kër waa léegi nag bu fekkee lii nga xam ne weer wu dee di nga ko gis weer wu jot nga gis ko di nga ko gis moo xam ñett ba juróom-ñaari fan bu méttee ci bés bés yu njëkk yi nga préféré toog sa kër ndax li nga soxla ci école bi amoo ko ngay absenté wu chaque mois ci année bi boo ko compté kooku taux de scolarité ni muy jàngee dana wàññeeku xëj du performance, ba nga xamné ne mën na am sax mu redoubler classe am mbaal li ñu ci remarqué te étude yi wan ñu ko mooy dañuy abandonné on a un taux d' abandon comme je disais tout à l'heure au début de mes propos mooy lan c' est un paradoxe ñu ne nañ maintenir xale yi jigéen yi ba pare xale yi jigéen yi génn école kon lépp li ñuy war a def ba nga xam ne ñu ngi génn école flux boobu di génn war nañoo góor góorgóorlu ba dugal laat leen ci kon moo tax yaakaar na yëf yi am na solo am solo goo xamante ne pouvoir public yi war nañ ko porter muy programme yoo xam ne dañ ko war dugal ko ci biir euh, politique bi ñu jël ko porter ko yëkkati ko ruuxu ko wax ko teg ko ba nga xam ne dinañ ko saafaraal ndax xale bu jigéen su dematee ci école bi ñuy mën di def ay toilettes séparées

rawatina kon secteur ndox secteur éducation nationale secteur santé secteur environnement secteur formation professionnelle ba nga xamné tay ñu yombalal xalé yi seen service hygiénique yoyu ndax seen wajur mënuñ leen ko satisfaire mais fuñ dem fekk ko fa ba nga xamné dinañ ko mëna jëfëndo jëfandoo seen sutura du ko mais ñu respecter cette dignité humaine et c'est leur droit je pense que lolu c'est le minimum qu'on xamné au moins war nañ am pour commencer bu autonomisation parce que si talul sa bop pas defe naa autonomisation dana fa jafe wala nga mën jangi nga parce que l'autonomisation sa base fondamentale c'est l'éducation. Et si on n'est pas éduqué, si on n'a pas, euh, je veux dire, la tête à l'éducation, si on n'a pas les dispositions nécessaires pour y parvenir, dans va métier.